Sénégal, bonjour. À la une de tribune quotidienne, une interrogation Gouroubaïval et Boldebourine. En tout cas, chamboulement, et eh bien chamboulement total dans l'administration territoriale. Que mijote, et eh bien que mijote, Nyangal National Universel Mondial, comprenez l'Abdoro. Bon, 47 nouvelles nominations, 47 nouvelles nominations. Voilà ce qu'il allait le retenir autour, et eh bien autour du chamboulement, du chamboulement total dans l'administration territoriale, d'après tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, sur le sujet de révéler que Ndeketeyo des tous les 46 départements, tous les 46 départements concernés, et eh bien concernés par le chamboulement dans l'administration territoriale à la question de savoir, et eh bien à la question de savoir, on est où là Eh bien, tribune quotidienne, tribune quotidienne, pour l'instant, d'évoquer, eh bien d'évoquer les arrestations, les arrestations qui se multiplient. Et là, retournons d'après tribune quotidienne, des prisons, des prisons si pleines. Bon, distribution systématique de mandats de dépôt au menu, eh bien au menu de l'actualité, eh bien au menu de l'actualité du Sénégal renseigne tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de révéler les détenus, et eh bien les détenus s'entassent, et eh bien s'entassent dans les chambres, et eh bien dans les chambres surbondées. Au-delà de cette information, le journal du groupe des médias parle de trafic, parle de trafic suspendu de Dakar, d'Emdic et des vacances de Pâques et des vacances de Pâques anticipées. Pourquoi faire Et bien, tribune quotidienne, tribune quotidienne, de noter qu'en réalité des réalités, qu'en réalité des réalités, c'est un procès ordinaire. C'est un procès ordinaire qui bloque, et bien qui bloque tout un système. Bon, Lucas et l'UGB ferme les campus, d'après Tribune Quotidienne qui ajoute les banques bloquées, les motocyclistes interdits, et eh de circuler. À ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir. L'observateur l'Obs dit non. Eh bien, le journal du groupe Futur Média, au chapitre de l'appel, au chapitre de l'appel à manifestation de Yehui Askanui, de nous renseigner, eh bien, de nous renseigner, ça n'a pas marché. Alors là, pas du tout marché. Du tout, du tout marché à Dakar, la capitale, l'information capitale. L'information capitale autour justement de l'appel à manifestation de Yehui porte sur un fait cousu de fil blanc d'après l'observateur Lobs qui note que la police, et eh bien, la police étouffe dans l'œuf la tentative de marche. Bon, des affrontements, des affrontements entre étudiants à l'UCAD font plusieurs blessés. Note quand même, et eh bien, note quand même l'observateur Lops ce matin. Ce matin, le quotidien, le quotidien, au menu justement de l'attention sociopolitique, d'afficher à ça une fin, et eh bien, fin des mars. En tout cas, les leaders de Yehui lui gazé et dégagé hier. Aujourd'hui, et bien, aujourd'hui, le quotidien, le quotidien de noter manifestation avortée sur l'avenue Cheikh Anta Diop les forces de défense et de sécurité Kadri Dakar. Bon, est-ce à dire, eh bien, est-ce à dire à ce sujet que Tchahan Fakre, pour l'instant, eh bien, pour l'instant, le quotidien, le quotidien de souligner, les banques et les commerces baissent, eh bien, baissent les rideaux, les deux roues, eh bien, les deux roues formellement interdites de circulation. Donc, la circulation, eh bien, la circulation sera dégagée. Surtout, eh bien, surtout que l'as quotidien, l'as quotidien, à propos de la manifestation interdite de Yehui Askadui hier, de révéler, eh bien, de révéler la police, eh bien, la police mate les contestataires. Maté et eh bien, maté les contestataires, diable. Et eh bien, oui, semble renchérir source A ce matin. Le journal piloté par Daouda Tcham, mon confrère de révéler, malgré les déclarations guerriers de ces leaders sur leur décision de braver l'interdiction de leur manifestation par le préfet de Dakar, Yehui Askadui. Yehui Askadoui, totalement, pour ne pas dire complètement, porté disparu à la question de savoir qui est fou. Et eh bien, pour l'instant, source a de noter des leaders de Yehui Askadui gazés devant le siège du PRP. Action, réaction, Malgré coup peste en disant Bill, euh, euh, euh, les forces de défense et de sécurité nous ont attaqués de manière tout à fait illégitime. Nous avons mal, mais nous ferons face. Que retenir d'autres eh que d'autres autour justement de la manifestation, de la manifestation avortée hier. Sinon, ce qui révèle source A. Comprenez Ousmane Sonko. et eh bien, Ousmane Sonko n'a pas pu voir le portail. et eh bien, le portail de sa demeure, encore moins rallier le rond-point de l'UCAD pour participer. Eh bien, pour participer à la manifestation interne de Yehui. Bon, finalement, et eh bien finalement, en guise de d'accord, il s'est rabattu, et eh bien il s'est rabattu sur son compte Twitter pour inonder, et eh bien pour inonder ses fans de messages. Explique, et bien explique source à ce matin, ce matin, et bien ce matin, le quotidien, le peuple, sans qu'on tout dit des tout de retenir, de faire retenir, qu'il a été en réalité question de pétard mouillé. Bon, marche de Yehui, un flop total. C'est le titre, et bien c'est le titre du quotidien Le Peuple, le journal, et bien le journal de livrer une information importante pour ne pas dire capitale à savoir le véhicule, et eh bien, le véhicule qui a heurté la caméra woman n'est pas, et eh n'est pas de la police et appartiendrait à un leader de l'opposition. Informe, eh bien, informe le quotidien Le Peuple. Et pour informer le peuple, il y a aujourd'hui l'exclusif quotidien, le journal de révéler les amis de la Tidiane Samali depuis la Côte d'Ivoire de considérer à plus d'un titre que Ousmane Sonko, Ousmane Sonko doit arrêter ses comédies et répondre, et répondre à la justice. Que dire à ce sujet Sinon, la manifestation est un droit, mais appeler, et bien, appeler les gens à la violence est un crime, a tenu à dire à haute et intelligible voix l'Hadj Tidiane Sambali. Depuis la Côte d'Ivoire, le président Tidiane Sambali approuve, et eh approuve la détermination de l'État à exercer son autorité, nous livre l'exclusif. En attendant, eh intéressons-nous, à l'évidence quotidienne. Le journal, au chapitre justement de l'appel à manifestation des leaders de Yehui Askawi de révéler le mot d'ordre, et eh le mot d'ordre timidement, le mot d'ordre timidement suivi, en d'autres termes, ça a été comme un lire au regard eh bien, au regard de ce que révèle l'évidence quotidienne ce matin, ce matin, eh bien, ce matin, le journal piloté par Pape Samba Sen, mon confrère, de s'intéresser à la protection, eh bien, à la protection des personnes et des biens. Un domaine strictement, eh bien, un domaine strictement réservé à l'État et en l'État, le gouverneur. Eh bien, le gouverneur interdit formellement la circulation temporaire des motos. nettoyées, Waouh, waouh. Information, eh bien, information révélée dans 24 heures quotidiennes ce matin. Le journal de nous apprendre sécurité à Dakar avec le procès Prodac, motocyclette et cyclomoteurs interdit de circuler. En attendant, restons avec 24 heures quotidien qui toujours sur le procès Ousmane Sonko contre Mambay Nyang dans l'affaire Prodac de révéler que Maître Ousseinou Fall, Maître Ousseinou Fall suspendu et comme le temps, le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol. Direct News, eh Direct nous sans contourner ni tours de révéler dossier en diffamation. Mambay Nyang Ousmane Sonko aujourd'hui, monsieur le juge, monsieur le juge, finissez et eh bien finissez une bonne fois pour tout ce procès en attendant de voir pour ne pas croire à un procès en sorcellerie. Ce matin, il convenait de retenir une autre information, une autre information de Direct News, à savoir, selon Abdou Sané, un des proches de Ousmane Sonko, le leader de Pastef les Patriotes, a décidé de ne pas participer, alors là, pas du tout participer à l'audience du 30 mars. Il a même informé ses six avocats. Qu'à cela détienne, Eh bien qu'à cela détienne, Wiri Wiri Jarindari. Voilà ce que semble dire critique le journal ce matin. Ce matin, le quotidien piloté par Papsar, mon confrère de révéler, procès Ousmane Sonko Mamba Nyang, l'heure de vérité en vérité des vérités. Tribune quotidien de nous renseigner que selon Birahim Sek du Forum civil, une information judiciaire, une information judiciaire sur l'affaire du contrat d'armement de 45 milliards de francs CFA est impératif. D'où notre intérêt, et eh bien d'où notre intérêt de rester avec Tribune Continuée pour terminer le journal. En tout cas, pour ce qui relève de l'enquête, de l'enquête sur les fonds Covid-19, de chercher à savoir, histoire de faire savoir si on se dirigerait, si on se dirigerait vers un classement des scandales à milliards. Et là, mais là, tu donc, mais là, tu donc de Allah. Bon, vive le Sénégal. chettt mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information information waaw waaw xolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci 3w point sénégal 7 point com ay information yu wóor man de maa ngi application sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng tàng bi te nag application sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci play store wala apple store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag vous voulez des informations en temps réel Cliquez sur wwwsenegal 7com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.